Bonjour euh, téléspectateurs.

Euh, mais Yamufa ndax euh, fan yi dafa am lu xew ci réew mi te mom dara la ci euh, militant qui nu naan Ousmane Sonko ñu dalal ko TV effectivement followers di aussi dalal bi ngeen ma dalal ci émission. waaw Ali Ali Mbalo. Euh, Aly Mballo lay wuyoo Aly Mballo yow dañuy continuer ak ben laaj bi nga xamanteni ni vraiment euh, yëm na torop torop torop le citoyen lambda waaw jaaxal na len lolu c'est-à-dire ñom pourquoi ñom euh, ñom patriotes Sonko yi ngeen jël combat combat bi def ko un combat euh, privé porté ko pour lan lolu voilà en fait di remercier encore euh, par rapport ak laaj bobu dinaa sawal tontu ci en fait. euh ce qui se passe actuellement au Sénégal c'est quelque chose bu je dirais pas inédit parce que en fait qui euh, nous dit actuellement dafa ñu euh, donc c'est-à-dire que beaucoup de nii opposant nga bëgg nga mu dal sa kaw donc injustice bobu ñu yàgg subir ci ay cas précédent léegi par rapport actuellement nous ki nga xamante suñu leader la faut porter espoir faut porter espoir de toute une génération donc ñun lu ñu mën mooy suñu kéem kàttan ñu jéem taxaw pour défendre espoir que nous am par rapport à suñu leader. donc bu faites ni ci cadre légal rek donc vous xam Ousmane Sonko xam ni c'est quelqu'un de légaliste alors moom bañul lépp tegu ci yoon mais li ñuy bañ jaay doole forcing def yoo xamante ne nii dëppoowul ak yoon donc loolu moo tax euh, c'est un combat de principe jëluñu ko ñu moomale ko suñu bopp mais en fait c'est un combat qui interpelle toute une génération donc loolu jeune jeune jeune jeune sénégalais jeune sénégalais yëpp la laay invité pour que ñu jël combat bi ñu approprier ko parce que c'est un combat de principe c'est un combat de principe mais est-ce que euh, euh, c'est-à-dire incitation à la violence un deux nous euh, def taxaw parce que Ousmane Sonko dañ ko mal. au contraire son image est ternie mais image wu Sonko Ousmane ñu jël ko alors que elle c'est une femme elle est la plus victime euh, ci autant que Ousmane Sonko alors pourquoi am oui en fait euh, bon dañu jël euh, Sarr ñu tenir là je vous vérifie dama nous, Ousmane Sonko jëruñu image am ko Ousmane Yalla Moko de par ses actes de par son parcours de par aussi son discours c'est-à-dire l'autre n'est nit épousé discours c'est parce que ça répond à l'aspiration de jeunesse rêve d'un leader politique de quelqu'un qui éveille un espoir pour cette pour cette jeunesse là donc l'autre le ñu gis ci maintenant pour le cas de Adji Sarr c'est une victime mon de quelque bord que ce soit Adissar, elle est une victime. Et d'ailleurs, le président Ousmane Sonko wax dit ni quelle que soit l'issue il pardonne Adissar. justement euh, Ali Mballo euh, Ousmane Sonko doguma la mais dañ ko déggoon dafa ne bu porter plainte mais mu xëy kat na euh, quelques sénégalais se disent que euh, complot euh, c'est le gouvernement qui complote contre Ousmane Sonko donc on se dit que y a complot des deux des des parties vous en pensez quoi. non mais attends c'est-à-dire parfois c'est des questions yoo xamante ça me met hors de moi quoi mais comment on peut imaginer qu'une personne complote contre lui-même c'est-à-dire non attends Si une question boo xamante non ça je ne laisserai pas passer parce que. Nous comprenons ni nan la un complot aussi grave des accusations aussi aussi graves que ça porter nommé, c'est impensable maintenant quand on parle de complot c'est sûr qu'il y a un complot mais le complot ne vient de nul bord que du bord du gouvernement c'est-à-dire de nos opposants, des, des, hommes au pouvoir. Vous avez des preuves Non, si, les preuves sont là. Parce qu'il y a des personnes mhm. qui ont été citées mhm. sur l'affaire mhm. et jusqu'à présent, le juge refuse d'écouter ces personnes-là. Encore, l'Assemblée nationale, récemment, euh, la commission adopte donc il y a les députés qui ont convoqué des personnes concernées. C'est-à-dire, l'idée c'est d'éviter toutes les personnes qui sont mêlées de près ou de loin afin que la vérité puisse jaillir. Donc c'est ça l'importance. Maintenant, pourquoi jusqu'à présent, ils n'ont pas euh, les gens du pouvoir, c'est-à-dire nos procureurs, parce que c'est un procureur de Macky pourquoi lui, il n'a pas voulu écouter la version de Sidi Ahmed Bay Pourquoi il n'a pas aussi euh, usé de ses pouvoirs pour éventuellement requérir l'ensemble des appels qui ont été reçus par la dame Adi. Et ces appels, le jour où les soi-disant faits se sont déroulés, ce jour-là, Adi a reçu des appels. Pourquoi il ne peut pas faire des, recoupages au niveau des recoupes au niveau de la sonatelle pour identifier effectivement les personnes avec lesquelles Adi a, échangé. Donc ce n'est pas quelque chose d'infaisable. Vu leur pouvoir, ils ont l'entière responsabilité et l'ensemble en tout cas euh, des prérogatives pour pouvoir, en tout cas s'ils veulent que la chose soit, soit, pour que la vérité éclate au grand jour, ils ont l'entière ils ont, euh, pouvoir de, de, de régler ce, ce, cette situation-là. Maintenant, cela va de soi. Ça dépend d'eux. vous fekkee ni ñoom bëgg nañ dëgg bi leer dinañ ko maintenant bu fekkee que bëgg lëndëmal askan bi nag ci la ñuy dugal ci ay ay ay levée immunité ay dugg fi génn fi alors que comment une telle accusation c'est-à-dire lu garaawee ni na lañ koy tuumalaay nit yow ñu né la kiko génné d'ailleurs couvre-feu lañ ne Adji Sarr bonne autorisation pour mon une heure de couvre-feu le président Sonko lui autorisation il peut circuler parce qu'il est malade il devait aller se soigner il a l'entière euh, responsabilité en tout cas il a l'ensemble des dispositions qui lui permettent de faire ça maintenant pourquoi Adji a une heure bobu? Jakarta 4 4 4 4 ñan ñoo nekkoon ci 4 bi 4 bi fan la ko yóbbu bu fekkee am na ay médecins ñooñu ñan lañ mais foofu lañ leen di xaaree. Euh, justement euh, li nga wax noonu euh, war nañ ci def taxaw seetlu mais tamit Ali beneen interprétation des faits dafa am maanaam Sonko Ousmane il avait toute la journée pour mën a dem maasewu Il euh, y a même les week-ends également nous na convier tamit benn masseuse mu fekk à domicile madame, bëri woon na ay aussi tamit à na ànd ak nit mais quoi qu'on puisse dire euh, Ousmane Sonko a quitté këram à 22h dem sachant que c'est vrai a une autorisation mais li gën a graaw fa mu dem Sweet Sur Sweet euh, boti quoi qu'on puisse dire nous qualifié wuñu pour mal de dos Nous mënoon na gisi kinésithérapeute.

dello je recule yéen par rapport à yéen étant euh, militant euh, Sonko nan ngeen di def ba réhabilité wat image par rapport à. d'abord il faut rétablir la chronologie des choses c'est à dire li nga wax ni légui mhm. d'abord mhm. c'est la veille. Mhm. le wax clairement que il fréquentait ce salon là. et dafa am lu y a di gens qui cest à dire c'est depuis 2018 qu'il avait commencé à fréquenter ce salon. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui. Alors, nit kiy dem fenn te faju rek du ko fa mais au nom de quoi alors que ça dit, la loi ne, l'interdit pas d'aller sur ce dans ce salon-là mais au nom de quoi les baye mom di dem salon bobo au détriment de son de, sa santé c'est tellement ça dire c'est parce que ni di wax avons d'ailleurs on est ci position j'ai une anecdote. Le président, un jour de Tabaski, fait un xaram mais c'est sur le coup le le fait bi ce jour de Tabaski il est parti sur ce sur ce même salon d'ailleurs c'est la patronne qui fait un compte. moo moi, ce jour c'est-à-dire il faut que Nini, ñi de comprendre mon bonne douleur les ressentir et voilà l'autre mouwara il faut encore mm, que encore que même si par je sais quelle magie même si c'est connu, salon il y a pas de papier je sais pas mais il n'y a pas une loi au Sénégal qui interdit à une personne d'aller dans dans un salon de massage mais alors le débat c'est-à-dire le débat n'est pas là-bas. Mm-hmm. ici on parle de faits. Mm-hmm. on parle d'accusation de viol. Mm-hmm. il faut se limiter à ça il faut bien cadrer le débat c'est-à-dire on parle d'accusation de viol. c'est soit il y a viol soit il n'y a pas viol mais n'essayons pas d'embrouber c'est-à-dire les Sénégalais dans un débat de morale genre ils ne devaient pas aller dans un salon comme si mais au nom de quoi il, il, ne va pas dans un salon Oui, vous avez raison parce que Fofu, euh, Ousmane Sonko, au-delà d'être un euh, leader politique, il est humain. a le droit de de de de de mais euh, euh, da nga l'année anecdote c'est en 2018 n'est-ce pas ci la ci la ray après le bi mais quoi qu'on puisse dire 2019 Sonko faut imposer. où? Sonko euh, Kuka ko xamul il sait bien bel et bien que il est le la personne autant pour moi la plus suivie au Sénégal alors loolu euh, naataango yi Sonko est-ce que euh, Li lii am est-ce qu'il ne l'a pas comploté avec son staff afin d'attirer l'attention afin tamit duggum palem gën koo je pense que répondre à la question avec mais je pense que nit boy, non attendez quand même non non non mais à quel prix à quel prix c'est-à-dire mais aujourd'hui il y a des personnes qui sont kidnappées je dirais pas emprisonnées mais kidnappées parce que c'est des innocents defuñu dara euh, ay personnes une manifestation, vous amis mhm. mais d'abord il faut regarder la cause c'était quoi a nit rassembler rassemblé en tant que des responsables ok il y a beaucoup de personnes qui étaient là-bas mais tous venus en responsable ils avaient des masques euh, ils étaient venus juste pour répondre à un appel à un appel de leur... à un appel d'un patriote qui a besoin de ses compatriotes ok ils sont venus répondre alors ce qui s'est passé, c'est quoi C'est-à-dire, police, en tout cas, les, agents de force de l'ordre, c'est eux qui ont commencé, pour ainsi dire. Non, c'est eux qui ont commencé. Parce qu'ils étaient là-bas. Attends, c'est eux qui ont commencé. Ce qui s'est passé, c'est que euh, les gens étaient devant la porte du président Ousmane Sonko. Maintenant, au moment où les agents de police étaient venus dire qu'ils sont venus constater la situation. C'est comme ça que s'est passé la chose. Après, euh, ils ont dit, ils, sont revenus pour dire que les gens doivent se disperser parce que les rassemblements sont interdits. Alors, là, M. Djibigay, le chef de protocole du président, il, est, il leur a dit de lui donner 5 minutes. Parce que lui-même, il a essayé, en fait. Il a essayé de calmer la foule. Il leur a dit, il faut vous disperser pour respecter la, la, distanciation, la sociale. Alors là, lui, il a essayé, mais en vain. C'est-à-dire, la foule ne le suivait pas. Maintenant, il a, il a dit au, à l'agent qui était venu lui dire de disperser la foule, lui a dit euh, qu'il lui laisse cinq minutes pour qu'il aille voir le président Ousmane Sonko. Parce que lui, s'il descend, s'il parle à la foule, ils vont l'obéir. La foule va, l'obéir. Maintenant, le temps du moment où Boumi remontait pour dire au président de descendre, c'est là qu'ont commencé les jets de, de lacrymogènes. Et eh mais, naturellement, s'il y a des lacrymogènes qui viennent, mais personne ne peut rester sur place tout, tout, tout ça C'est-à-dire, il y en a qui vont à droite, il y en a qui vont à gauche. Voilà, c'est ça qui a déclenché, euh, effectivement, les affrontements. Mais nullement, le président n'a incité à des, à des révoltes. encore ses militants, encore moins ses militants. Donc, euh, c'est ce qui s'est passé réellement. Maintenant, l'idée de, dire que Ousmane Sonko sincèrement <laughs> sauf votre respect ça je ne vais pas y répondre voilà pour euh, visite du président à l'université université temple du savoir là et c'est-à-dire on y a tous accès étudiants pas étudiants autorité pas autorité on a des parents qui sont là-bas on a des amis des frères des sœurs qui sont là-bas alors le président lui en tant que responsable, il a le droit d'aller rendre visite à qui il veut dans l'hémicycle. Encore que dans ce cas-là, c'était un de ses militants qui était blessé. OK Donc il a toute la d'aller lui rendre visite. Alors, une fois là-bas, maintenant, c'était n'était pas prémédité. Pour les gens qui disent que c'est lui qui a provoqué le rassemblement, non. Il n'en a rien fait. En fait, c'est juste que il y est allé de bonne foi, juste dans, euh, dans une ambiance de venir, voilà, un peu regarder euh, les blessés, laine, comprendre. Donc, la tu et ainsi de suite. C'était dans cette logique-là. Maintenant, y est mon biais le mot fu mu ne cëpp gars parce que am de 2015 ba mu fa ñëwee liñ ko def gis nañ ko mais ñun ñu ngi sant yàlla ah, que ñun bañ ñu ngi sant yàlla ñu ngi sant yàlla ba ki nga xamante ne moom fu mu fu mu ne cëpp ndaw ñëpp topp ko loolu je pense que ça confirme encore une fois que ils ont essayé de ternir son image mais ça n'a pas réussi parce que li xew démb barki démb jaay université confirmé na ni il est et il reste dans le cœur des Sénégalais surtout de la jeunesse. Nak man université la la jaar université mom. ku fa yag xamné ni université loolu yag na ah université non mais ces années passées loolu la mais université ça a toujours été ainsi amical yu bari mais non lañu pas fonctionné. il n'a rien fait maintenant pour revenir au, au cas de démission mais attends c'est-à-dire soit soit les les ou on ne peut pas être membre d'une commission alors quand on a des droits on les réclame Nous bañ le ko mais attends l'offre. mais c'est ça l'objet de leur démission c'est parce qu'ils ont des droits ils ont demandé à entendre Adji séance passée Moustapha Guirassy dafa laajoon parole ñu ne ko doo fi mais alors à quoi ça sert ñu équipe, ci biir bu fekkee du ñu wax lu ñu bëgg kenn du leen ko mais ils ils ne vont pas ils ne vont pas servir de faire valoir c'est-à-dire nous ñu fa nekk pour juste ñu ngi fa c'est-à-dire actuellement nous état bi li ñu bon la mouvance du président, la mouvance présidentielle li ñu bëgg le moins mooy que ni dañoo bëgg appuyez-vous sur cette présence pour crédibiliser cette euh, commission ad hoc maintenant c'est approche je pense que c'était l'approche la plus judicieuse parce que d'une fa nekk ci ci kaw lo ci mieux ñu ci sénégalais yépp témoin que ni ci ñi ak ak député euh, Ousmane euh, très très à Nous nous l'autre la Malik euh, bi communication Sonko Ousmane mu bien une sortie après bi Ami Ami euh, témoignage comme quoi que la fille bon bon elle est de mœurs légères etc. bon Ousmane Sonko mais Malik bi mu sortie mu xam femme bi sax mom tamit ci complot complot bi la bokku lolou euh, manam après jour li nga xamanteni dafa indi incohérence ci bop euh, sénégalais yi surtout ma ñi nga xamanteni euh, dam nek de neutre par rapport à au fait tay tay manam yéen ngi def appel à la résistance bu metté metté metté est-ce que yaakaaru len ni jot na ngeen def recul ñu déggaat tamit de source claire que ni la l'APR raxas nañu seen base ba nekkon seen base yeen amatu len fa dara lolou yan nga indi très rapidement vu que temps bi mi base ba ngeen fa de source sûre ñu xamal ni euh, actuellement nous base le pouvoir. comment on peut du jour au lendemain Rahas base non Rahas base ak ñàkk de base <laughs> base quand on parle de base non attends ce qui se passe non on parle de base politique. quand on parle de base politique on attend de voir les issues d'élection ci la ñuy mesurer si un tel ou un tel candidat est est présent sur cette zone-là. donc là ni ni ni ay spéculation la ñuy rek mais le ñuy wax mënuñu ko mënuñu indi firnde maintenant euh, te loolu moom jarul sax ay élection budgétaire, élection locale Macky Sall aussi c'est-à-dire non attends mm-hmm. avant de répondre à cette questions permets-moi de faire cette digression parce que Macky Sall en fait le président Macky Sall il faut qu'il ait ce minimum là quoi c'est-à-dire ce minimum d'élégance mais il faut qu'il soit démocrate il a la force, c'est lui qui est au pouvoir, il a la police, la gendarmerie, avec tout ce qu'il veut, l'armée, avec tout ce qu'il va avec. Mais il n'a qu'à organiser ces élections-là. Il faut qu'il soit démocrate. Nous, on a besoin d'élections régulières qui s'organisent à date issue. C'est-à-dire, mais jusqu'à quand On le laisse faire, il fait tout ce qu'il veut. Maintenant, Réumi Ken doit organiser l'élection locale. maire yi fi mandat politicien dama bëgg mais jusqu'à quand dina le troisième mandat Bunba ñu yi dina le troisième mandat le cinquième mandat le quinzième mandat il y a ba gens qui ont pare jox nguur gi ko parce que mais sénégalais yi invité waruñu waruñu nous ñun tey suñu parce que démocratie dañ ko dañ ko fayet ba yegg fu yegg waruñu nit hein, au pouvoir bëgg réduire en néant tout ce sacrifice-là, bien nos aïeux l'ont fait pour gagner cette démocratie-là. Est-ce que Ousmane Sonko du la communication Parce que aussi, euh, euh, euh, euh Malik, dafa waxee ci ci ci ci ton bu doy waat jour parce que tamit yéen partisan Ousmane Sonko yi dafa mel ni vous vous êtes trop trop trop émotif bu ngeen di wax macha dafa vous parlez de façon impulsive et tout est-ce que du ngeen xoolaat seen communication xoolaat seen toogin parce que quoi qu'on puisse dire ñenn ñi loolu wax également est-ce que Sonko dong tammi nan wara a jël favoriser parce que aussi yaa àq ak yelleef parce que Adji Sarr quoi qu'on puisse dire affaire bi amna amul Adji Sarr il est victime tout comme seen leader politique donc baax na ngeen koy bayyi xel. ah Ousmane Sonko jaxarlo askan bi ne len carrément mom djegal na Adji Sarr ci xol bu laab xol bu sell. kon maanaam léegi non viol amul viol am quand même c'est-à-dire Sénégal aussi on est dans quel monde yow nan pas Ousmane Sonko président Ousmane Sonko muy fréquentait un salon de massage avec des pistolets armés de pistolets comme un gangster hein à chaque fois qu'il di violer une fille di retourner di violer une fille c'est-à-dire elle a dit viol répétitif donc c'est-à-dire là ne nga ko limiter à 4 ci 5 mais c'est répétitif <laughs> donc répétitif c'est à l'infini alors on ne sait même pas combien de fois on on le nid de violer autant de fois si kër cœur de en train de se kese avec une famille logée dedans mais armée de pistolets mais quand même on se croirait dans une western c'est-à-dire le western cest sax du jouer rôle c'est tellement terre à terre que non mais c'est inimaginable Je me disais cest ay nit di jéem cautionner ça me ça ça me rend malade man. Ça dit, Sénégalais, il faut que, il faut que nous revenir, il faut que nous revenir à la raison. Té ñu xam lu mana ak lu mana. kilifa bu toll ni président Ousmane Sonko yor ñaari soxna salon di ah, mais attends non non c'est un guignol je parle pas au guignol moi c'est un guignol je réponds pas à ça day théâtre kuy théâtre nak ba nañ ko nañ ko nañ ko yobou daaray Kocc. il a des preuves tangibles. Mané a des preuves tangibles par rapport à ça. Mané, sénégalais sénégalais lay waxal surtout jeunesse bi surtout jeunesse il faut il faut conscientiser la jeunesse c'est-à-dire ce qui se joue actuellement c'est notre avenir Ñom ñi pexé ñom seen seen walu wéy na seen à wéy donc c'est à nous de prendre notre responsabilité et il ne faut pas dire genre toog non non man mounou ci dara si mën nga ci dara mën nga ci dara c'est le peu de chacun qui def le tout de tout de tout un peuple il faut que yow le minimum que tu as de contribuer ko sur la lutte pour que la victoire mu nekk à la portée de toute une nation mais tu peux pas te dire non man ne ci dara su non mais il faut que tu ci dara c'est-à-dire ça dara ngay am bu ko def ko dara dara benn boobu benn benn moy tax mu bari donc loolu laay invité jeunesse bi encore une fois il faut il faut mettre il faut il faut mettre fin il faut mettre fin à ces agissements là Macky Sall li bëgg règne monocrate dictature te lolu foog ñu bañ ko foog ñu jaamaarloog moom ñu xamal ko ni Sénégal Sénégalu ñëpp la waaw bayu kenn momuko que la démocratie règne. Que la démocratie règne. D'accord. Merci en tout cas Ali Mbalo. Euh, nous en sommes au terme de notre émission. Euh, question directe là pour étudier. Sonko détenu ou président Sonko président, Inch'Allah, 2024. Merci beaucoup. En tout cas, nous sommes très honorés d'avoir eu à recevoir Ali Mbalo, qui est un jeune cadre également militant de, de, de Ousmane Sonko nous avons fait fii mu ñu am solo indi ay leeral may daal di remercier waa régie bu baax kan abu euh, kooku sama trésor la moom moo nekk ci euh, di madame Danfaxa moom euh, moo nekkoon ci assisté Fatou Ndiaye euh, yow dama lay jaajëfal waa Sam TV euh, waaye tamit du ñu fàtte ay ñoom Bokar si moom mi nga xamante ni moom moo ne ma combat bi combat mortel la waaw moom moo wax loolu Alassane Diop euh, du ma ko fàtte chéri Codou ñooñu duñ leen fàtte saa su ne parce que dañoo bëgg Sam TV di ko bëgge di ko ziar. Euh, Nogay Kane Nogay euh, Sall euh, madame Guèye nuyu naa la bu baax a baax et merci ci ki ma habillé Sall Sall moo ma habillé tey jaajëf di leen remercier di leen jox di daje prochaine édition dadi dalalat en même temps yenen invité mais ci même cadre bi batay tey du ñu avocat yi du ñu médecin yi du ñu bàyyi kenn merci en tout cas yéen ñi ñuy fëlaw di leen jaajëfal di daje beneen yoon.